département. Je suis membre du réseau des enseignants APR dirigé par notre coordonnatrice, Madame Matissan Albey. Nous remercions Thiès TV, M. Silla, le directeur, ainsi que M. Thiam, le directeur de l'école privée mixité, qui ont permis, avec Madame Matissan Albey, de mettre sur pied le programme afin de nous permettre de donner notre participation au cours, euh, au cours que nous allons faire pour nos élèves qui sont restés à la maison. Donc sans plus tarder, je vais passer au déroulement de la leçon. Vu le contexte actuel, nous allons axer notre première information sur une leçon de vivre dans son milieu. Vous savez que la leçon de vivre dans son milieu permet à l'élève d'identifier dans son milieu proche des problèmes d'environnement, de santé et de population, et à développer des capacités de proposition de solutions appropriées et réalistes. Ainsi, dans le contexte du coronavirus, nous allons aujourd'hui dérouler une leçon sur le coronavirus. Et pour cela, nous allons utiliser des supports pédagogiques comme les affiches que nous allons présenter à nos élèves et leur demander euh, ce qu'ils voient sur l'affiche. Alors, nous avons à notre disposition ces affiches-là. Bonjour ces élèves. Comment vous allez Ça va J'espère que vous respectez les consignes de vos parents et que vous restez à la maison. Alors aujourd'hui, on va faire une leçon de vivre dans son milieu. Mais pour cela, on va commencer par une révision qui va rappeler l'objet de la leçon précédente. Oui. Donc l'objet de la leçon précédente portée sur les mesures préventives du sida. Alors, qui va venir nous rappeler le résumé de cette leçon Donc, on va demander à deux ou trois élèves de venir rester leur leçon. Voilà, c'est bien. C'est bien. Alors, on va maintenant poser des questions et qui va répondre à ces questions. Comment peut-on faire pour éviter le sida Qui va me dire une manière qui nous permet d'éviter le sida. Oui Éviter de partager des objets corporels. C'est bien. Éviter d'utiliser la même lame qu'une autre personne avait déjà utilisée. Très bien. Éviter d'utiliser la même seringue. C'est bien. Voilà. Maintenant, on va donner des questions écrites et vous allez répondre sur vos ardoises. Je vais vous donner une liste et sur la liste, vous allez me relever les actions qui permettent d'éviter le sida. va lire. C'est bien. partager la même brosse à dents. Oui. Ne pas utiliser les mêmes aigus qu'une personne a déjà utilisé pour le tatouage. Alors, sur votre ardoise, écrivez l'action qui permet d'éviter le sida. Levez c'est bien, bien là-bas, bien, bien baissé. Alors, qui va venir au tableau nous montrer l'action qui permet d'éviter le sida. C'est laquelle Celle qui est en haut ou bien la seconde C'est la seconde. Voilà, c'est bien. Donc, celle-ci nous permet d'éviter le sida. Bien. Actuellement, vous avez entendu partout, dans les radios, dans la rue, et même vous avez vu que vous êtes resté maintenant à la maison. Pourquoi Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui fait qu'on nous demande de rester à la maison De quoi parle-t-on tout le temps à la radio, à la télé, qu'on montre Et chaque jour, il y a des membres du gouvernement qui se présentent à la télé pour faire des communications. Oui Qui va me dire ça Il y a une... Très bien, il y a une maladie. Une maladie. Il y a une maladie dans le pays. Et qui va me dire le nom de cette maladie Qui la connaît cette maladie Est-ce que vous la connaissez tu vas me donner le nom de cette maladie Oui Très bien, c'est le, c'est le corona, le coronavirus. Donc aujourd'hui, on va étudier le corona virus Alors, qui va me répéter ça le coronavirus. Oui, qui va répéter. Allez, on répète, on répète, on répète, on répète. C'est bien, le coronavirus. Alors, qui va épeler coronavirus Qui va me dire comment on écrit coronavirus Oui, coronavirus écrit. Voilà, coronavirus écrit. C'est o r O, N, A, V, I, R, U, S. Tu vas encore épeler C'est bien. Alors, on va écrire ça. Écrivez coronavirus sur les avances. C'est bien. Tout le monde a écrit. Allez, levez il faudra bien faire attention à l'orthographe, c'est-à-dire bien écrire correctement le mot. Hein? C'est bien. Baisser. Alors, aujourd'hui donc, on va étudier le coronavirus. On va essayer de voir de quoi s'agit-il. Pour cela, je vais vous présenter les affiches que nous avons ici. Vous présenter les affiches que nous avons ici et on va vous présenter un contexte. Contexte. Non, papa a reçu cette affiche. शांत दशांत है la consigne qui est fixée au tableau, qui va lire le contexte. Mhm. Qui va lire le contexte ton papa a reçu cette affiche du centre de santé, mais ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Il te le soumet avec un grand étonnement. Consigne. Hein? Consigne. Dis-lui de quelle maladie il s'agit, par quoi est-elle causée et ses manifestations. C'est bon Bien. Alors, on va essayer d'expliquer un tout petit peu la consigne, le, contexte. Qu'est-ce qui se passe ici Qu'est-ce que papa a reçu Qu'est-ce que papa a reçu Très bien, papa a reçu une, une affiche. Alors, d'où vient l'affiche Oui, l'affiche vient du centre de santé. C'est bien. Mais maintenant, est-ce que papa sait de quoi parle l'affiche Non, il ne, le, il ne sait pas. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il te demande ton papa Qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce que papa a fait Oui, papa m'a remis l'affiche. Et maintenant, moi, qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce qu'on m'a demandé de faire hein? Qu'est-ce qu'on m'a demandé de faire alors, on m'a demandé de faire quoi De lui dire que cette affiche-là, sur cette affiche, on parle d'une d'une maladie. C'est très bien. Dans cette affiche, on parle d'une maladie. Maintenant, c'est à vous de lui dire quelle est la, quelle est la maladie. Très bien. Est-ce qu'on va s'arrêter tout simplement à ça, à lui dire que c'est telle maladie Non. Qu'est-ce qu'on va lui dire encore on va encore lui dire pourquoi elle est, cette maladie est, est-elle causée. Hein? Après, on s'arrête là Non, non, on va aussi parler des manifestes. Voilà, des manifestations. Très bien. Alors, les manifestations, c'est quoi Qui va essayer d'expliquer manifestations oui, manifestation veut dire si une personne a cette maladie, comment elle va se comporter, comporter. Qu'est-ce que la maladie va faire sur son, sur son corps, sur son organisme C'est très bien. Alors, on va travailler, chacun va prendre sa fiche individuelle sur laquelle elle va travailler. Donc, vous allez prendre le soin de mettre en haut votre nom et vous allez écrire le contexte, la consigne. Ensuite, vous mettez cause. Mettez d'abord maladie. cause manifestation et vous allez remplir le tableau c'est la première partie vous mettez le nom de la de la maladie au milieu, vous mettez l'agent qui cause la maladie, responsable de la maladie, et en troisième colonne, vous mettez les manifestations rapidement. Alors, pour ce travail, vous avez besoin de combien de minutes Vous aurez besoin de combien de minutes pour faire ça, chaque élève hmm? Trois minutes, c'est bon non, c'est peu. Donc 5. 5, c'est bon. Tout le monde est d'accord pour 5. Voilà, je vous donne 5 minutes. Allez, prenez 5 minutes et vous allez remplir le tableau. Allez, on y va. Voilà, ça y est. Maintenant, les 5 minutes sont terminées. Alors, donnez-moi les feuilles. Un élève va ramasser les feuilles dans chaque groupe. Voilà, merci. On a posé ça sur la table. Allez, maintenant prenez la feuille du groupe. Hein? Prenez la feuille du groupe. voyez le secrétaire, manifestez-vous. Voilà, le secrétaire va remplir. Maintenant, pour chaque groupe, vous allez mettre, après discussion, vous allez écrire le nom de la maladie sur laquelle vous êtes, vous êtes tombé d'accord. La même chose aussi pour les causes et la les manifestations. Alors, pour ça, vous aurez besoin de combien de minutes encore hein? Là, 3 minutes, ça va, parce que vous avez déjà travaillé avec 5 minutes. Hein? 3 minutes pour faire la synthèse. Voilà, c'est bon, 3 minutes. Rapidement. Alors, le secrétaire fixe. Il faudra discuter, hein? Il faudra discuter et défendre votre point de vue. Hein? Si vous donnez un nom, et que votre camarade n'accepte pas, il faudra essayer de lui expliquer pourquoi vous avez donné le nom. Allez-y. Voilà, discutez entre vous, échangez. Maintenant, c'est bon. Alors, les secrétaires, vous venez. On suppose que nous avons trois groupes. Les secrétaires, vous venez. Vous allez fixer votre production. Supposons que pour le groupe 1, groupe 1, on a la production du groupe 1 qui nous dit maladie, Virus. cause. Le groupe 1 a mis microbe. Manifestation mon vomissement difficulté pour respirer. Voilà la production du groupe 1. C'est bien. Alors, les membres du groupe 1, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que votre secrétaire a fixé au tableau C'est ça Il n'y a pas d'objection. Alors, c'est bien. Alors, le groupe 2, le secrétaire du groupe 2 va venir. Alors, pour le groupe 2, Le groupe 2, il a mis, il n'a rien mis pour le nom de la malade. Là, il, il met un virus. Manifestation groupe 2, vous avez vu, votre secrétaire a déjà noté. Vous avez vu Vous êtes d'accord hein? C'est comme ça. C'est ce que vous avez noté dans votre groupe. Voilà, c'est bien. Maintenant, on passe au groupe 3. Groupe 3. grup ta grup dua ami Qu'est-ce qu'il a oublié Ah d'accord, il a oublié de mettre ici difficulté pour respirer. C'est bien. Voilà. Donc on est d'accord. Vous êtes d'accord avec votre secrétaire Voilà, c'est bien. Donc on va essayer maintenant de voir, de comparer vos productions. Pour le groupe 1, qu'est-ce qu'ils ont mis à la place de la maladie Comment ils ont nommé la maladie Oui Coronavirus. Le groupe 2 Le groupe 2, ils n'ont rien mis. Alors, vous, les éléments du groupe 2. Vous ne connaissez pas le nom de la maladie Pourtant, on, en, on entend parle, on en parle souvent à la télé et à la radio. Vous n'avez pas fait attention. C'est pas grave. On va essayer de découvrir ça après. Le groupe 3, ils ont eux aussi mis coronavirus. Tout le monde est d'accord que, que, la maladie s'appelle coronavirus. On est d'accord ah, Donc, on va noter ça. Le nom de la maladie, c'est coronavirus. Pourtant, le groupe 2, vous n'avez pas fait très bien attention. Hein? On a déjà donné le titre là. Et on avait bien fixé. Hein? Il faudra la prochaine fois aussi faire attention sur les enseignements précédents, ce que vous avez déjà appris. Ça revient. Hein? Donc c'est le coronavirus. Maintenant, on va voir l'agent qui cause la maladie, qui permet d'attraper la maladie. Ici, le groupe 1, ils ont mis un microbe. Le groupe 2, ils ont mis un virus. Et le groupe 3 a écrit COVID-19. Alors, lequel des trois groupes a raison Est-ce qu'il s'agit d'un microbe Vous connaissez la différence entre un microbe et un virus Qui va essayer de m'expliquer ça Oui Un microbe est plus, est plus grand qu'un virus. Un microbe est plus grand qu'un virus. Hein? Ici, au niveau du coronavirus, vous avez vu dans la prononciation du nom ou bien dans l'écriture, on a terminé par le nom, par le mot virus. Donc, ici le groupe 1, on ne peut pas parler de microbe, on parlera de virus. D'accord Donc, nous sommes tous d'accord que c'est un virus. Mais un virus aussi doit avoir un nom. Vous, vous êtes tous des élèves, mais chaque élève a un a un nom. Comment s'appelle celle-là Elle s'appelle Fa, Fatou. Et celui-là, il s'appelle Ablai. Très bien. Donc, les virus, eux aussi, ont des, ont des noms. Le virus qui donne la maladie, le coronavirus, il s'appelle le COVID-19. C'est un virus. Donc, les deux-là ont parfaitement raison. Il s'agit d'un virus. Un virus, et le virus s'appelle le COVID-19. Voilà, c'est comme ça qu'on le note. Maintenant, pour les manifestations, on va venir aux manifestations. Le groupe 1, il a parlé de mots. Hmm? Manifestation, oui il a parlé de mots. Vous êtes d'accord Mots de quoi Il a parlé de mots. Mots de quoi Ici. Mots. Mots, c'est le pluriel de quel mot C'est le pluriel de mal. Effectivement, vous avez mal quelque part. Où est-ce qu'on a mal ici Quand on parle de Covid-19, où est-ce qu'on a mal Voilà. On a mal à la, à la tête, donc on va parler des mots de tête. Hein? Est-ce qu'on a mal là-bas uniquement Comment D'accord. Est-ce qu'on a mal uniquement à la tête Hein Non, non, aussi on a mal à la, à la poitrine. Donc on parle là de, de maux, maux de tête. C'est bien. Hein? On a mal à la tête. Le groupe 2, il a parlé aussi de difficultés pour respirer. respirer. Ça rejoint tout de suite ce qu'on avait dit sur le mal. On a donc mal à la tête. Pour respirer aussi, on a mal à la poitrine. Donc, il a des difficultés pour respirer. Le groupe 1 aussi a parlé de vomissement. Dans ce que vous avez vu, dans les affiches, ou bien dans ce que vous avez entendu, est-ce qu'on a parlé de vomissement est-ce qu'on a parlé de vomissement Vous avez une fois entendu parler de vomissement dans le coronavirus Moi, je n'en ai pas entendu. Et toi Oui, tu n'as pas entendu parler de vomissement. Donc, il n'y a pas de vomissement au niveau des manifestations. Donc, pour le groupe 3, le groupe 1, euh, il faudra enlever les, les vomissements. Ici, au niveau du groupe 2, ils ont parlé de, de diarrhée. De La diarrhée, c'est une manifestation qu'on voit souvent dans quelle maladie On l'a déjà étudié. Dans quelle maladie Très bien, dans le, dans le choléra. Hein? Ici, il ne s'agit pas de choléra. C'est vrai qu'on demande d'être très propre, mais il n'y a au niveau des manifestations, il n'y a pas de, de Vous avez dit rhume, vous avez dit se moucher. Alors le rhume, quand vous avez le rhume, souvent vous vous, vous mouchez parce qu'il y a le nez qui, qui coule. Donc ça c'est au niveau des manifestes, manifestations. Hein? Le nez qui coule, on va appeler ça écoulement qui va me donner l'adjectif qui vient du monnaie. L'adjectif qui vient du monnaie. Oui, c'est na, nasal. Voilà, on a un écoulement nasal. C'est bien. Donc, souvent vous avez votre mouchoir et vous vous mouchez parce qu'il y a un liquide qui sort du c'est très bien. Groupe 3, ils ont parlé de corps chaud. Quand vous avez le corps chaud, on dit, qu'est-ce qu'on dit là On dit que vous avez de la fièvre. Très bien, vous avez de la fièvre. Donc, ici, on a la, la fièvre. Ils ont parlé de angine, crachat, difficulté pour respirer. Difficulté pour respirer, on l'avait noté où On l'avait noté au niveau du groupe 1. Donc, ils sont. C'est un, une manifestation qui revient là. Donc, c'est correct. Hein? Ils ont parlé d'angine. D'angine, c'est une maladie qui attaque quelle partie du corps du Vous c'est là la gorge. Très bien, ça attaque la gorge. Donc, vous avez aussi. Tout à l'heure, on avait parlé de mots. On a parlé de mots de tête, mots au niveau de la poitrine mais aussi on a mal à la on a mal à la gorge hmm? on a des maux de gorge voilà donc voilà ce que vous avez ce qu'on a noté avec le travail de groupe donc ça ce sont des manifestations du coronavirus donc on va essayer de récapituler, de résumer un tout petit peu. Pour la maladie, on vous avait demandé de remplir le tableau et on vous avait demandé de donner avec un microscope très bien. Donc les médecins ont, ont travaillé dans leur laboratoire avec un microscope et ils ont vu que c'est très très petit. On ne peut pas voir le virus comme ça avec les yeux à l'œil. Donc c'est un virus. Et ils l'ont nommé, ils lui ont donné un, un nom. Hmm? C'est un virus, on, lui donne un nom. Comme vous et moi. Vous, toi, tu t'appelles Fatou, celui-là, Ablaï, moi moi, c'est Alors le, le virus, on lui a donné un nom, il s'appelle COVID-19. Maintenant, il donne une maladie. La maladie. Souvent, quand la personne a la maladie, où est-ce qu'elle souffre le plus Elle a des difficultés où Vous avez dit que c'est comme ça que ça se manifeste. Mais elle a des difficultés où Très bien, elle a des difficultés pour respirer. Donc on dit que c'est une maladie respiratoire. C'est une maladie respiratoire. Allez, qui va me répéter ça Maladie respiratoire. Maladie respiratoire. Très bien, maladie, c'est une maladie respiratoire. Vous avez entendu en Europe, en France, en Chine, etc. En France, en Chine, en Espagne, en Italie. Vous avez entendu, il y a des gens qui ont attrapé cette maladie. Est-ce qu'ils ont, est-ce qu'il y a eu des personnes qui ont été guéries aussitôt? Oui, mais pourquoi cette maladie-là, ça fait peur à tout le monde Pourquoi Pourquoi on a peur de cette maladie Voilà, parce que c'est une maladie qui tue très rapidement. Alors, une maladie qui tue, comment on l'appelle C'est une maladie mortelle. c'est une maladie mortelle. Pourtant, il y a des maladies qui sont très mortelles. Et les gens n'ont pas peur de ces maladies. Pourquoi on a peur de cette maladie Parce que ça se, ça se propage rapidement. Une maladie qui se propage rapidement et qui affecte beaucoup de personnes à la fois. Comment on appelle cette maladie On l'avait dit avec le paludisme, c'est une maladie contagieuse. contagieuse. Voilà, c'est une maladie contagieuse. Voilà. voilà ce qu'on peut retenir sur le coronavirus. Donc en récapitulation, on va essayer de donner un résumé. Alors nous avons vu aujourd'hui quelle maladie Nous avons vu le, le corona C'est quel type de maladie Avec le choléra, vous aviez dit que c'est une maladie de type ja Très bien. Alors ici, le malade, il a des problèmes où Il a des problèmes pour res respirer. Donc c'est une maladie respiratoire. Donc le coronavirus, qui va me faire la phrase Le coronavirus est une maladie respiratoire. Très bien. Il est causé par quel agent pathogène Il est causé par le par un virus, ce n'est pas un microbe, mais par un virus. Comment s'appelle ce virus euh, Très bien, donc il va faire une la phrase. Il est causé par le corona, par un virus appelé. Très bien appelé le Covid-19. Hein? Il est causé par un microbe appelé le Covid-19. Alors, comment se manifeste-t-elle Elle se manifeste. Voilà. ấy để mua được tết bien vậy vậy difficultés respiratoires, de la fièvre, Uhum. Aí. Nazar. Olha, assiste tu. comme on, C'est une maladie qu'est-ce qu'on avait, euh, on avait terminé par dire que c'est une maladie qui est contagieuse. Tu va faire la phrase. Le corps. contagieuse et mortelle. Voilà. Donc il va lire. Vivre dans son milieu, le coronavirus. Le coronavirus est une maladie respiratoire. Il est causé par un virus appelé le Covid-19. Elle se manifeste par des maux de tête, un mal à la gorge, des difficultés respiratoires, de la fièvre, un écoulement nasal. Le coronavirus est une maladie contagieuse et mortelle. Voilà. Un autre qui va lire. Allez. Maintenant, on va passer à l'évaluation. On va essayer de voir si est-ce que vous avez compris et retenez tout ce que nous avons dit. sur la leçon. Pour cela, on va vous donner un contexte. Dans le contexte, après une leçon sur le coronavirus, 3 va lire le contexte. Après une leçon sur le coronavirus, le maître écrit pêle-mêle les causes et les manifestations de la maladie. Que veut dire pêle-mêle Qui va essayer d'expliquer pêle-mêle Oui, le maître écrit comme ça, hein, en les mélangeant avec les autres. Voilà, il, a tout mélangé. Donc, les causes et les manifestations. Et maintenant, qu'est-ce qu'il te demande de faire, le maître Qu'est-ce qu'il veut savoir Il veut savoir si est-ce que tu as bien, bien compris la leçon. Est-ce que tu as bien compris la leçon Comment tu vas lui montrer ça Comment vas-tu lui montrer que tu as bien compris la leçon Hein remplissant correctement le tableau. Lui, il a tout mélangé. Et toi, tu vas remplir correctement. Tu vas lui montrer que ça, ce sont les causes ou bien c'est la cause. Et ça, c'est la manifestation. Et s'il a mis autre chose, qu'est-ce qu'on va en faire Voilà. OK yeggale mbokki ceeskaay benn dëkk ñaari gaar chers étudiants mbokki élèves yi ne woon naa leen man ci man l'expérience fait la différence Moki, intercontinental de négoce Nyoti ak yeneen i da bëgg réussir sa concours bi nga bëgg def intercontinental de négoce Moki, muy spécial promo Tu peux anal boo soxla ngir réussir ce concours anal CFE, pas baccalauréat concours douane concours police ba concours gendarmerie Moki étudiant et ak élèves namadef, ENOA ENSOA ENA Kref, moki. Pep anal bossorla. Tu peux bépp matière Ame, rek nga intercontinental de négoce la boutique des vainqueurs la boutique des VIP la boutique des étudiants MOKI mi avenue Amadou Niang Taït Dylan Fatalini, boutique bi du beaucoup coin intercontinental de négoce MOKI ngeen Lenovo, via whatsapp ci 70 759 13 58 MOKI, intercontinental de négoce c'est la réussite totale chers étudiants Elevi, d'accord voilà donc euh, merci Régis merci Régis merci aussi à nos téléspectateurs de Thiès TV nous remercions aussi Intercontinental de Negos de nous avoir accompagnés sur euh, la production de ces émissions ainsi, nous pouvons suivre nos élèves dans les maisons et, les aider aussi à, continuer leurs leçons. Donc voilà, ça c'est dans la ville. Si vous en avez besoin, allez voir euh, Intercontinental de Negos. La régie Régie. En fait, man man l'expérience fait la différence Moki, intercontinental de Négos nyoti ak yeneen Tanga feem da bëgg réussir ce concours bi bugadef. bëgg intercontinental de Négos Moki, muy spécial promo ci peux anal bossorla. ngir réussir ce concours anal CFE, BFM, baccalauréat concours douane concours police ba concours gendarmerie Moki étudiant et ak élèves yi na ma def ENOA ENSOA ENA Kref, Moki, Pepe anal boo soxla ci bépp matière fenn rek nga intercontinental de Négos la boutique des vainqueurs la boutique des VIP la boutique des étudiants Moki. mi avenue Amadou Niang Sow tayit di boutique bi tu ci coin bi intercontinental de Négos Moki yi ngeen via WhatsApp ci 70 759 13 58 Moki intercontinental de négoce c'est la réussite totale. Voilà, merci Largi. Donc, euh, chers élèves, chers parents, nous venons de terminer la première séance. Vous savez qu'au ce les leçons de vivre ensemble, ce sont des leçons qui sont étalé euh, sur deux ou trois séances. Souvent, la première séance, c'est une séance qui nous permet de parler euh, des causes et des manifestations de la maladie. Maintenant, l'autre séance va parler de la prévention de la maladie. Donc, euh, une fois qu'on aura corrigé cet exercice, la leçon s'arrête là-bas on va attaquer la seconde séance tout de suite après notre communication. Alors nous avons voulu aussi faire une petite sensibilisation. Là, je voudrais m'adresser à vous en wolof parce que comme nous avons ko waxee commencement nous avons remercié remercier monsieur M. ba nga M. monsieur remercier aussi monsieur Thiam directeur école privée mixité et ses collègues di wax ni man maa ngi tudd Soubeyrou Cissé maa ngi fi euh, en tant que membre des enseignants de l'APR dirigé par madame Maty Senghor d'ailleurs mom moma ma sax ma ñëw def ci ki bi parce que bi affaire bi génné ni mom daf ni vraiment ñun ay enseignants lañu am nañu suñu wall ci lii wàll bi moy lan moy ni fexé jappalé xalé yi ñu tok seen kër ta baña faté li ñu jàngoon programme bi aussi du continuer en même temps ñu defaale ay révision benen bi aussi moy aussi ji ma sensibiliser nit ñi fep fu nga xamante ne ngor gi toll na fa ak ñom rek ñu and ak ñom di len waxtaan ak ñom di len leeral parce que lool mom moy suñu rôle di wax nak ni euh, dafa am lu bees lu nga xamante ne ni moom président indi ñukoy saluer lool maanaam di ko jaajëfal ci yi nga xamante ne ni mesures yi mu jël pour fekk ñu parce que loolu ci waru garam la waru la ci président mu aar ñu dund fe aar ñu ci dee ci kemtalaay kàttanam te mesures yi mu jël nii foofu la taxaw di remercier aussi comportement di féliciter comportement bi nga xamante ne nii moom la classe politique bi ci des am muy opposition ñun ñëpp ñu àndandoo xam ne ay sénégalais lañu mbir mii dal na suñu kaw ñun ñëpp ñu am ci tiitaange xamuñu fu ñu jëm ak moom gisaguñu saafara gi ñu ñëpp ñu àndandoo nekk benn di jiima xool nuñ koy xeexe donc waa opposition bi aussi ñu ngi leen di sant ci taxawaay boobu di wax ni vraiment li ñu taxawee nii mooy taxawaay mat di sant aussi le ministre de la santé parce que boobu ba léegi noppalu moom le personnel de santé di leen ñaanal ñom aussi yalla mi nga xamante ne ni mooy fek fekk leen euh, ba ñu jappalé askan wi ñu mëna a ak fièvre bi di wax nak ni tay ji dama bëggon wax ci état d'urgence parce que état d'urgence dañ ko installé fi mu xawa jaaxal nit ñi lool régie waaw état d'urgence mooy actuellement li nga xamante ne nii moo mooy restriction des libertés nii nii ñun dañoo am sañ-sañu ci yu bëri ñu def ko dem ak dikk jëflante bi dugalante bi yooyu yëpp suñu ay sañ-sañ lañ mais réew mi day am fu nga xam ne bu fa tolloo ci euh, manque de sécurité wala boog ci kaaraange gi xaw a wàññeeku. dañuy wàññi loolu ci nit ñi lépp lu nga xamante ne ni seeni droit la woon rek ak ay liberté dañ koy wàññi pour mun mën leen a ko wax ndax comme ni ma ko waxee ci commencement bi warugar la ci waa nguur gi ñu aar ñu ci loolu parce que ñun ñoo jël suñuy sañ-sañ yépp ñu dénk leen ko loolu tax ñu installé état d'urgence bi état d'urgence bi nag Sénégal xam naa ni sama classe gi ak ñi ma gën a jëmee suuf ñu ci bëri xamuñu ko parce que bi ñu juddoog léegi état d'urgence amul Sénégal ci sama xam-xam su fekkee juum oui voilà deux fois la fi Moussa en 1960 waaw ak ci Abdou Diouf foog naa mon école, élection 88 voilà Mangok nga ah Abdou Diouf 88 voilà ak ak Bini donc ñu si bëri xamuñu ko te loolu foog naan mooy élection 88 yow la couvre-feu bi aussi la même chose couvre-feu boobu la fi am une première fois nga xamante ne ni mu ngi doog léegi nag loolu su amee il faut nit ñi aussi jàppale ci nguur gi ndax ki nga xamante ne ni daf lay liggéeyal pour aar la yow fexeel kemtalaay kàttanam liggéey boobu mën a dox mooy naan lam la sant nga koy def ndax feebar bi kat yorul ay tànk mais ñu ñooy ay tànkam ñun ñoo koy yóbbu ñu ñoo koy indi te it nañu jàpp ni feebar bi mm, mën nañ koo jàppee ni armée la bu jógee beneen réew ñëw attaqué suñu noonu rek lañ koy mën a jàpp parce que daf ñuy rey ñun ñëpp comme ci jàpp ku ne actuellement da rey léegi nañ jàppee ni beneen armée moo jógee ci beneen réew ñëw songu si ñu te léegi nag bu ñu songu si warugar la ci président de la république ak gouvernement mu aar réew mi ah ci cadre aarange googu nag mu tax mu indi état d'urgence léegi nag ñuy ñaan population yi ni loolu nañ leen ci jàppale lépp lu nga xamante ne ni rek sant nañ leen ko ci loolu ñu def ko dox bi couvre-feu bi nee ñu vingt heures lay commencer ba six heures du matin wax dëgg yàlla loolu guddi la kuy dox sa soxla mun nga koo dox su fekkee urgence la gaaw ci bëccëg te guddi nga toog ñëpp toog noppalu yàlla mën naa def bu ñu toogee fii ak deux semaines wala trois semaine feebar bi jóge fi parce que loolu la bëgg ku nekk des ak sa njaboot continuer eh, yore leen parce que ku am ak njaboot aussi da ngaa bëgg a fekk seen njariñ mais force force forcer ba loolu dal la Ah, nga wuute ko kenn ñaanu ko yàlla donc nañ jàppale loolu mesures yi nga xamante ne nii moom la ñu teg nañ ci góor góoru def ci suñ kemtalaay kàttan les forces de l'ordre aussi ñu am une certaine compréhension ci ñoom parce que ñoom génn ñu leen di gis tout le temps du seen coobare ñoom seen sañ seen seen coobare mooy fa nga xamante ne nii moom leen leen fàqal ñu toog fa mooy ca post ya ca centre ya ak ca camp ya mais bu ñu génnee rek fitna

defal ñu jàmm dàqal ñu feebar ok loolu moom moo nekkoon sama kii sama wax ci wàllu sensibilisation bi léegi nag ma bëggoon dellusiwaat ci deuxième séance bi toujours sur euh, le coronavirus Régis sur le coronavirus donc comme ni ma ko waxee woon rek leçon yi ñun suñ koy def au ce day doon ñaari séance parfois ñett première séance bi dañuy wax ci cause maanaam lan mooy indi feebar bi ak bu la dalee lan nan lay ban jeextal lay am ci yow maanaam ku la xool gis nga def lii ak li ak lii kooku mun naa njort ni kat yow feebar bii moo la daal ba keroog ngay dem hôpital docteur bi wax carrément ni lii moo la daal mais loolu mooy manifestation yi léegi nag beneen bi ci des mooy ndax comme ni ma ko waxee sànq ci kii bi leçon vivre ensemble dafay tax xale bi mu xam lépp lu nga xamante ne nii moo nekk ci gox bi mu nekk lu fay ah, lore ci wàllu population ci wàllu santé mu xam fan lay jóge mu xam aussi nan lay dalee ci kawam ak nan la koy moytoo donc beneen leçon ça va porter sur les mesures préventives du Covid du Covid-19 donc comme tout à l'heure on va commencer par une révision. La révision va toujours porter sur la leçon précédente. Donc, un élève va me rappeler l'objet de la leçon précédente, la leçon que nous avions faite la fois dernière en vivre dans son milieu. Oui, qui va me rappeler la leçon. Oui, c'était le, le coronavirus. Très bien c'est le coronavirus. Et de quoi avons-nous parlé du coronavirus la dernière fois oui, On avait parlé des manifestations, oui. Et des, des causes. Voilà. Bien, qui va venir rester sa leçon un élève, C'est bien. Un autre. Très bien. Un troisième. C'est bien. Alors, comment appelle-t-on l'agent qui cause le coronavirus comment appelle-t-on l'agent responsable de cette maladie C'est le Covid-19. Très bien, c'est le Covid-19. Alors, c'est un micro ou bien un virus Très bien, c'est un, c'est un virus. Donc, c'est un virus appelé Covid-19 qui est l'agent responsable de cette maladie. Très bien. Maintenant, comment se manifeste cette maladie Une personne atteinte de cette maladie présente quels signe hein? Comment peut-on faire pour savoir que cette personne-là a le COVID En tout simplement la regardant. Oui Oui, il, va, il a des mots des mots de tête. Très bien. Est-ce que ça s'arrête là seulement Parce qu'en fait, il y a beaucoup de maladies qui présentent cette signe, hein? hein ce signe. Maux de tête. Oui. Maux de tête, Maux de gorge. Très bien. Quoi encore Difficulté respiratoire. Très bien. Encore Écoulement dit dîner. C'est bien. Alors prenez vos arroses effacées. Alors, vous allez écrire quel est l'agent responsable de la maladie coronavirus. Écrivez sur les arroses. Montrez. C'est bien. Toi là, tu as mal orthographié, hein, tu as mal écrit hein, COVID. C'est pas T, ça se termine par, par D. Très bien, qui va venir corriger au tableau Voilà, donc c'est le c'est le virus COVID-19. Voilà. Alors, les élèves qui avaient orthographié COVID avec T, ce n'est pas T parce qu'ils ont mal prononcé. C'est COVID. Alors, corrigez et mettez le T à la place de, du T. Vous avez corrigé. Montrez. C'est bien baissé. Alors donc, dans la suite de cette leçon, je vais vous présenter un contexte Alors pourquoi on apprend euh, cette, maladie aujourd'hui Pourquoi On va apprendre les mesures préventives pour pouvoir limiter. Vous aviez dit que la maladie était très contagieuse dans la leçon précédente. Donc on va essayer de telle sorte faire de telle sorte que la maladie ne se propage pas, hein, que la maladie s'arrête là-bas. Ainsi, on pourra aider les gens à arrêter la, maladie. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, on va apprendre les mesures préventives. Donc, voilà un contexte un contexte et une consigne qui va lire le contexte. L'association de ton quartier organise une journée de sensibilisation sur le coronavirus. Sachant que tu es bien informé sur la maladie, elle te demande de montrer comment l'éviter. Consigne, donne au moins deux mesures préventive qui va lire. C'est bien. Un autre. Très bien. Enfin, un dernier. Voilà. Bien. Alors, on va essayer de voir ce qu'on nous a dit dans le contexte. Qu'est-ce qui se passe dans notre quartier On a... Qu'est-ce qu'on a organisé Très bien, on a organisé une journée de sensibilisa, une journée de sensibilisation. Très bien, on a organisé une journée de sensibilisation. Sur quoi On peut sensibiliser sur beaucoup de choses, hein? sur le paludisme, sur l'état d'urgence, sur, sur, sur, euh, la, la propriété, etc. Ici, l'association fait sa sensibilisation sur quoi Oui sur très bien le coronavirus. Le coronavirus. Le coronavirus, qu'est-ce que c'est C'est une, c'est une maladie, très bien. Et comment est cette maladie Elle est, elle est mortelle, donc elle est très, elle est très dangereuse. C'est bien. Elle est très dangereuse. Ah, maintenant, qu'est-ce que l'association sait à propos de toi Oui, je sais que tu as appris cette maladie ou à l'école, très bien, tu l'as appris à, à l'école. Hein? Et que tu en sais des choses que les autres ne, ne savent pas. Donc, on va te demander de, de montrer comment il faut faire pour, pour l'éviter, c'est-à-dire pour ne pas avoir la, la maladie. Très et pour cela, qu'est-ce qu'on te demande de faire hein? On nous demande de, donner au moins deux mesures préventives. Qu'est-ce que ça veut dire, mesures préventives Qui va essayer d'expliquer C'est-à-dire, ce qu'il faut, ce qu'il faut faire pour ne pas avoir la maladie, pour ne pas être malade du coronavirus. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas être malade du coronavirus C'est ça les mesures préventives. Si vous ne l'avez pas hein, encore, si vous ne l'avez pas encore, d'accord hein? Est-ce qu'on va s'arrêter à deux mesures seulement Si vous connaissez deux mesures, vous allez les, les mettre. Mais on a dit au, au moins. Donc, il faudrait en donner deux ou bien trois ou quatre selon les mesures préventives que vous connaissez. C'est bon Bien, alors chacun prend sa feuille. Vous mettez votre nom, hein? le contexte y est déjà, ainsi que la consigne, et vous allez citer les mesures en bas, les mesures préventives. Vous allez citer les mesures. préventives. Allez-y. Alors, pour ça, vous aurez besoin de combien de minutes Deux minutes, c'est bon. Assez peu. Ah, il faudra apprendre à travailler vite, hein? Deux. Donc, cinq. Sept. Non, c'est trop. 5, c'est bon On est d'accord pour 5 Allez-y, je vous donne 5 minutes. En 5 minutes, vous allez me donner les mesures préventives. Voilà, c'est bon. Maintenant, les 5 minutes sont terminées. Donnez-moi les fiches individuelles. Le responsable, le président du groupe, le responsable du groupe, ramassez, ramasse les feuilles. Voilà. Merci. Alors ça, c'est à l'attention du, parents parent ou bien de l'enseignant. Les fiches individuelles, je vais les ramasser pour savoir exactement la connaissance qu'a chaque élève sur ce que j'ai demandé. Un. Deuxièmement aussi, ça va nous permettre de voir la production de l'élève et d'avoir, de savoir où est-ce qu'il a des problèmes pour, au moment des renforcements, de pouvoir le mettre dans un groupe et de régler son problème. C'est pourquoi, aussitôt après le travail, je ramasse les fiches individuelles. Parce que si je les laisse avec eux, ils vont corriger. Ils vont corriger leurs lacunes. Donc, je ramasse les feuilles que je vais garder. Étant donné que sur chaque feuille, il y a le nom de l'élève, je saurais que Demba a des problèmes pour construire correctement une phrase. Ou bien, Fatou a des problèmes pour euh, accorder les noms au pluriel, etc. Et au moment de, euh, de faire une remédiation ou bien un renforcement, je pourrais les classer en groupe et de travailler avec eux, chacun, de régler avec un chacun le problème euh, auquel il est confronté. Donc c'est pourquoi je ramasse aussitôt les fiches individuelles. Maintenant, allez, voilà, merci pour les fiches individuelles. Prenez la fiche du groupe et le secrétaire est travaillé. Maintenant, mettez sur euh, votre fiche de groupe ce que vous avez retenu individuellement. Hein. Et maintenant, il faudra défendre votre position. Hein. Voilà. Fatou, si tu as une remarque pertinente et que le secrétaire refuse de, de la noter, il faudra insister pour qu'il la note et essayer de donner tes explications. Ok, allez discuter avec vous. Voilà la régie. Oui. D'accord. Donc c'est bon. Voilà. Ça est. OK. Voilà. Le secrétaire du groupe numéro 1 va venir fixer la production de son groupe. Groupe 1. Voilà, vous avez noté लावाज दे में आए समूह से dosa groupe, chaque groupe, son secrétaire est passé au tableau et il a noté la production de son, de son groupe. Alors, groupe numéro 1, votre secrétaire, voilà ce qu'il a noté. Qui va lire Lavage des mains, se boucher le nez avec un mouchoir en toussant. C'est ça. C'est ça que vous avez produit. Hein? Tout le monde est d'accord. Oui, oui, toi, oui. Qu'est-ce que tu as voulu ajouter? Euh, mais pourquoi ils n'ont pas accepté ça? Hein? Tu as voulu ajouter? Hein? Restez à la maison. Ah, il faut le mettre. Après, on va voir. Restez à la maison. Ah, vous, groupe numéro 1, pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec ça Vous n'avez pas entendu à la radio qu'on dise de rester à la maison Hein Donc, il faut rester à la maison, c'est bien, c'est ça. <coughs> voilà, donc, ok donc, groupe numéro 1, lavage des mains, se boucher le nez avec un mouchoir en toussant, rester à la maison. Groupe numéro 2, rester à la maison, ne pas s'allier avec la main, avec les mains. Oui, avec la main, c'est bien. C'est ça, groupe numéro 2. Vous êtes d'accord avec ça hein? Vous n'avez rien à ajouter. C'est bon Groupe numéro 3. Se laver les mains avec du savon ou un gel Utiliser un mouchoir pour tousser ou se moucher. Jetez les mouchoirs utilisés. C'est ça. Vous êtes d'accord hein? Vous n'avez rien à ajouter ou bien à enlever. Ok. Donc on va essayer de voir tout ça. On va essayer de voir réellement. Donc, on nous a demandé de donner au moins deux mesures préventives. On va essayer de faire une récapitulation. Groupe numéro 1, il a parlé de lavage des mains. Est-ce qu'il n'y a pas un autre groupe qui en a parlé Si, il y a le groupe numéro, numéro 3 qui en a aussi parlé. Donc, des, mains. Et le groupe numéro 3, qu'est-ce qu'il a ajouté lui Il a ajouté lavage des mains avec du savon ou un gel. Si on s'arrête seulement à lavage des mains, groupe numéro 1, vous pensez que vous vous lavez avec euh, de l'eau seulement, ça peut tuer le microbe Non, donc il faudra prendre du du savon ou bien de l'eau de, l'eau de Javel. C'est très bien. Donc il fallait ajouter ça. Lavage des mains avec du savon. Hmm? Et le groupe numéro 3 a ajouté ou avec un gel la lavage des mains avec du savon ou avec un, un gel, vous allez, ou, vous allez mettre ou utiliser un gel. Alors, quel gel Il y a beaucoup de gels qui sont vendus au marché. Vous n'avez jamais vu maman mettre du gel sur ses cheveux hein, pour faire sa coiffure. Est-ce que celui-là est bon On va se laver les mains avec ce gel-là. Non, non, non, non. C'est quel gel Un gel. Un gel hydroalcoolique. Hydroalcoolique. Qui va répéter ça Gel hydroalcoolique. Gel hydro. Un gel hydroalcoolique. Donc vous utilisez ça. Oui donc lavage des mains, se boucher le nez avec un mouchoir en, en toussant. Hein, on avait dit dans la leçon précédente que la maladie, c'est une maladie respiratoire. Donc quand vous toussez, vous allez faire sortir le, le microbe. Et pour éviter que le microbe se propage, il faut prendre un, un mouchoir. Donc, le nez ou la bouche. Lorsqu'on touche avec la, la bouche, on éternue avec le, le nez. Se boucher le nez ou la bouche en toussant. En se mouchant hmm, ou en éternuant donc le groupe 1 hein? Régie ah, D'accord, bon. Voilà, donc euh, on est obligé d'arrêter la leçon. Malheureusement, bon, elle n'est pas encore terminée. Peut-être qu'avec la prochaine séance, on va continuer. Le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Donc on est obligé de céder le plateau à un autre. Donc on vous remercie pour votre euh, présence. Monsieur Ward, Monsieur Silla de Chess TV, Monsieur Thiam, aussi directeur d'école privée, ministère et ses collègues. On remercie également Madame Matisse Orbey, coordonnatrice des enseignants APR de Thiès. On remercie également Intercontinental de Négos qui a mis à notre disposition des produits qui nous permettent de de, de, de, de nous prévenir euh, de la maladie qui se vit actuellement. Merci et à la prochaine fois. C'est bon. mbokki Ceeskaay benn dëkk ñaari gaar chers étudiants mbokki élèves yi ne woon naa leen ñii ñoo man ci biir boor man ci bële boor rax ci dolli l'expérience fait la différence mbokk yi intercontinental de négoce ñëwati ak yeneen i feem da ngaa bëgg réussir sa concours bi nga bëgg a def yeggal gaaw ci intercontinental de négoce mbokk yi muy spécial promo ci bépp anal boo soxla ngir réussir sa concours anal CFEE BFEM baccalauréat concours douane concours police ba ci concours gendarmerie mbokki étudiants yi ak élèves yi yow mi na ma def ENOA ENSOA ENA CREF mbokki bépp anal boo soxla ci bépp matière fenn rek nga ko mën a amee fii ci intercontinental de négoce la boutique des vainqueurs la boutique des VIP la boutique des étudiants MOKI. migifichi avenue Amadou Niang Sow tayit boutique bi nek beaucoup coin intercontinental de négoce MOKI. yi Man via WhatsApp ci 70 759 13 58 MOKI. ak intercontinental de négoce c'est la réussite totale